tout le monde et bienvenue sur votre fada des jeunes. Yalema taigarare inji. Damanare tagirku. Ita da yan komatsanta ambaliyar ruwa da manyan cututtukan da take tare su a kowace shekara. cikin su, aujourd'hui c'est le paludisme qui nous préoccupe dans l'émission de ce soir. C'est vrai, quand on parle du palu, ça tourne souvent autour des enfants, comme na biu Amma, Wannan ciwon Yana Banna, a cikin matasa ma to za mu ganin shi sau da wannan shirin namu un article de l'agence nigérienne de presse du 6 novembre 2020 fait cas de 3861 personnes mortes à cause du paludisme entre le 1er janvier et le 3 novembre 2020 kamfanin jaridan kuma ya kara da cewa wannan shekarar ta 2020 fiye da mutum miliyan uku ne aka binciko suna da wannan masasara ta cizon sabro pour ceux qui est des jeunes qui sont dans leur fada ou qui vaquent à leur occupation tranquillement, sereinement, comment font-ils face à cette maladie ma ko ina kuma ga sabro hallo shi ma da wasa. Yaya suke yi da wannan sabran? kariya, suna magani da kyau. Saboda shi yau muka polyclinic wajen euh, rompon police secours ana maka ɗora fada yau tare da matasa wanda suke cikin kungiyoyinsu su ma suna suna de maya ils sont dans la sensibilisation nous avons également à cette fada des médecins qui sont là avec nous à cette fada nous sommes avec Shana Hamad Haroun lui, les jeunes volontaires, Ça va, Chana Ça va bien, Tu vas bien Nous sommes avec Soudine Mahamadou, lui, le porte-parole de son projet PAENI. Toi, tu es plutôt dans la sensibilisation autour de l'assainissement. Yanni, la dame Oui, ça va. Oui, ça va. Nous sommes avec Dr Gambo Abdoulatif, lui, le médecin généraliste ici à la polyclinique. Ça va, docteur Vous allez bien Bonjour. Oui, bonjour. Ça va très bien, alhamdoulilah. À cette fada, nous avons également docteur Agali Ibrahim qui revient une fois de plus sur cette fada. Il est médecin généraliste également. Ça va, docteur Eh, bonjour, Ravi. Allez, ça va. Et toi oui, ça va, tout va bien. Super, Allah kawo mana. Bon, vous le savez, ami de la Fada, babu Fada, babu music inda muke te muna tayar da ɗan hein, kada kaɗen mu da rubrikin da don dike sarfa muna a kowane sati halu da rubrikin da Olivier ke shirya muna kubi bi mu so da ƙaha. Mai gabatarwa Aminu ya kutar kullum Rabia Mai Kano. Hirar ta haɗa mu a yau matasa ita ce masassaran cizon sabro. Une maladie qui ne touche pas que les petits enfants ou les femmes enceintes. Cikin wannan shirin zan mu ji yaya ne

saburo ne kamar yadda kowa ya sani amma akwai saburo wanda an ke ma anophel femel shine mustic femel hmm. shine wanda in ya ciji mutum yake sama mutum wani sinadari wanda yake tahiya har zuwa wurin fuwa da an ke ma fuwa shine anta a hausance don hmm. cikin jini wanda yake tahowa cikin jikin mutum gaba daya abun da ake ma globule rouge wannan na cikin jini shine yake deforme sai ya bata shi Donc yana y cikin jini sai ya ba mutum kasala ya ba mutum masasara wannan ya ba mutum ciwon kai etc etc donc c'est des signes comme ça mutum yake manifester autour de lui ko kuma tun da harko bai da ma sai ya bai da komi amma akwai kwayoyin cikin shi lokacin da suna cikin suna cikin multiplication wannan mutum bai jin komi donc in sun girma sun ka zo cikin jini wannan sun ka zo sun ka fara da formen globule rouge donc lokacin sun taho phase clinic lokacin mutum sai ya fara manifestin sinyi comme la fièvre les maux de tête la fatigue tun da cikin jini ne wannan kwayoyi na cikin jini globule rouge suke deforme har su yi eclate su hoshe sai ya ba mutum abun da an ce marishin jini shine wanda hausawa sai su an kai shi likita an ba shi an kara mai jini shine mu muke ce mu anemi okay. donc c'est des trucs comme eh abun ah hakan ga haka gan sai mutane su ce ba komai bane sabro ne ya tije ni amma shi wannan sabron yana sama mutum malati da yake cikin jikin mutum ba kaɗan bane jiki effectivement ba kaɗan bane to doctor agali kai ma zan zo ka kan in zo ga kingin invitan nawa d'habitude on met plus l'accent sur euh, la prévention autour des enfants ou des femmes enceintes wasu sai ka ta sa ko cikin fara hakan ga suna zamane suna zance kaman masassara ba wani abu bane kwa Vraiment, c'est une maladie des enfants, c'est une maladie qui peut toucher <laughs> tout le monde. Ok, Rabia, merci beaucoup. Justement, par rapport à ça, quand vous dites les gens pensent que c'est juste une maladie des tout petits ou bien une maladie des femmes enceintes, le paludisme, il faut d'abord savoir que c'est une maladie de tout le monde. Ouais. Tout le monde peut faire le paludisme et tout le monde peut développer les complications du paludisme dont euh, l'une parmi elles, celle qui vient euh, de notifier tout à l'heure, l'anémie. Ouais. C'est vrai, on dit que les personnes les plus vulnérables sont euh, les femmes enceintes et les tout petits. Les tout petits, justement, du fait de le système, du système euh, euh, immunitaire qui n'est pas assez développé, c'est-à-dire qui est faible au, bas âge, et aussi du fait de la vulnérabilité de la femme enceinte. C'est justement dans ce sens qu'on dit que ah, c'est la tranche qu'il faut la plus protéger. Mais qu'à cela ne tienne, même si on dit que c'est une maladie des tout petits ou bien une maladie des femmes enceintes, qui d'entre nous n'a pas une femme à la maison ou bien un tout petit à la maison ouais. On en a tous parce qu'on dort à la maison. Donc si nous refusons malgré ça, ou bien nous nous entêtons de dire que ah, parce qu'on dit c'est une maladie, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, parce que c'est pas une maladie de tout petit. Tout le monde, comme je l'ai dit au début, peut faire le paludisme et déjà développer les complications. Donc tout le monde doit être conscient et vraiment doit être impliqué dans cette lutte contre le paludisme. C'est une affaire de tous, c'est pas qu'une affaire seulement de protéger les petits ou bien ou les femmes euh, enceintes. Justement, à cette fois-là, nous sommes avec des jeunes, des jeunes qui sont aux côtés des jeunes, mais qui sont eux aussi dans la sensibilisation. vraiment mutanen san da kuke tare da su kuna musu faɗakarwa bisa kan wannan ciwon kamar wani mataki ne kamata a ce a ganin ku da za mu gaya ma matasan da suke shuraren mu anan ga cikin eh, fadar mu Ok, Rabi, merci beaucoup. Mm -hmm. euh, tout d'abord, permettez-moi de féliciter tous les jeunes qui sont ici à la FADA et merci. qui sont venus vraiment apporter leur contribution ouais. dans le cadre de lutte contre cette maladie qui fait vraiment des ravages aujourd'hui. Da an yi Hausa ya yi daɗi. To yau dai malati ce wanda an sani tana nan tana yin tana banna tana banna kwarai a cikin kasashen mu na Afirka gaba daya kuma surtout namu mu a Niger. Yau in kuka ɗauka a kota rapport ta Organisation Mondiale de la Santé ta wurin 2017 ce take cewa a Afirka mutum fiye da miliyan goma sha wani abu suke mutuwa da wannan cutar. Kowace shekara. Kowace shekara. kuma wannan kimine ne yasa mutane suke mutuwa mutuwan nan yana sa yana nuna cewa mutane suna aiki cikin waje wanda bai da tsafta koko suna kwana su tashi su yi komi cikin waje wanda bai da tsafta inda ke da ko sabro mm. to mu wajen mu matasa muna tashi muna kira ga matasa on fait appel vers la jeunesse mu kwatanta musu cewa wannan cutan ba cuta bace wanda za a gane ta kama wata karamar cuta wanda in ta kama ka kana iya zama a gida ka nemi maganin ka ko wata kinkili ba ko wata wace ci ka sha wani ne ban sani <laughs> kai ta tizan eh ko ta tizan <laughs> to kun gani eh. mais c'est une maladie qui fait des ravages elle n'épargne personne in babba kake in karami kake in kudi gare ka in talaka ne in ma miye ne dai sai maladi wanda ba ta san kenan kai dai kawai tsafta tsafta dai tsafta dai tsafta dai ka ai wasa da tsafta a kare a kare gidaje mm. a samu a shiga a zama waje a kwana waje mai tsafta ai aiki waje mai tsafta ana iya kare to muna kira ga matasa da mutane muna zuwa bisa teren muna cin mutane gashi gashi malatin na yanayin kaza kaza muna kwatanta musu akwai wanda suke ganiya akwai wanda kuma sai a hankali sai a hankali yo anan muna tare da Shamsudin Chamsun Mamoudou, toi, tu es allé encore plus loin dans la sensibilisation euh, autour de l'assainissement. Carrément, tu portes un projet. projet Tout d'abord, euh, permettez-moi de remercier tous ceux qui sont là pour mhm. parler du danger du palud. Pour moi, cette émission n'est pas seulement une émission, mais c'est une ouverture pour pouvoir parler, pour que là où ma voix n'est pas atteinte, ça puisse aller. Vous voyez Parce que c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup, quelque chose qui fait vraiment peur. Parce que le paludisme, nous ne le prenons pas au sérieux. Pourtant, pour moi et pour nous tous, parmi nous tous, chacun a eu un parent ou quelqu'un qui est décédé du palud. Donc, euh, pour moi, c'est même plus pire que le coronavirus. Parce que nous, maintenant, là, là, on vit avec la nouvelle femelle. On le voit, le virus, on le voit. On vit avec. Et c'est nous qui faisons en sorte que les moustiques arrivent à se développer voilà, tout à fait mm. donc moi maintenant eh, ce qui m'a poussé à aller vers un projet d'assainissement et d'entretien environnemental c'est surtout à cause de ces maladies mais comment réagissent les jeunes quand tu viens avec ton projet comment ils réagissent les jeunes ils sont sensibles à tes messages comment ils, réagissent vraiment c'est là qui c'est difficile parce qu'en en fait quand on parle d'ordure d'où naît naissent les trucs, les, la nouvelle femelle, tout le monde ne veut pas aller là-bas. La jeunesse, on préfère aller là où c'est les bureaux et un truc du genre et tout. Pourtant, si on veut sauver nos bureaux, nous devons sauver nos maisons. Nous devons sauver nos quartiers. Nos quartiers. Nous devons, En fait, c'est une chaîne kana waye musu kai bisa kan zama cikin tsafta zama cikin lahiya kenan bisa kan wannan zancen nashi za mu dan koma bangaren dondi cikin rubrikin shi hallo mu ji wannan gamu da wani artist ya hira et on se retrouve juste après aujourd'hui à la fada il est question du paludisme des jeunes face au paludisme Nigériens, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. L'artiste s'exprime, une rubrique de l'émission Tous à la Fada, une émission consacrée à l'art et à ce qu'il pratique. Nous nous sommes déplacés de Niamey à Agadez. Nous avons parcouru plus de 900 km à la rencontre de la jeunesse de l'Aïe. Sur cette émission, Ladies and Gentlemen, nous allons recevoir un acteur culturel, un jeune qui se bat de jour comme de nuit pour faire rayonner la culture de l'Aïr. Ensemble, nous allons fraterniser, ensemble, nous allons travailler dans le but de progresser ici au sein de l'AI. Ladies and gentlemen, ce numéro reçoit Mr. Biano. Biano, comment tu vas Ça va très bien. Tu pètes la forme ou c'est la, forme qui te pète Donc c'est bon. Vice versa. C'est vice versa. Alors aujourd'hui, nous allons parler de toi sur cette émission. Nous allons te permettre donc de t'exprimer euh, pour permettre, euh, bien à tout le Niger, à toute cette jeunesse qui nous kiffe, euh, d'avoir de, un certain nombre d'informations sur ta personne. C'est important. Biano, Merci. Qui est Biano Bon, Biano, c'est un jeune qui est un peu plus connu sur Twitter et Facebook. À travers peut-être des, merveilles d'Agadez et certaines images. Biano, donc, c'est un jeune influenceur qui, quand même, fait la fierté de l'Aïr à travers la culture. Oui, effectivement, à travers un branding personnel que les gens m'ont collé, à savoir la culture, le tourisme, l'histoire et la passion de la photographie. L'acteur culturel Viano c'est l'émission Touche la mesdames et messieurs. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle À l'état civil, c'est Ousmane Biano Aboubakar. Ah, Ousmane Biano Aboubakar. Voilà. Super. Alors, on va commencer d'abord par décortiquer Biano. On sait que c'est ton nom, mais nous savons aussi qu'il y a une activité culturelle qui se déroule au sein de l'AIR chaque année. Bien, Tu portes déjà le nom tu comptes bien sur l'émission Tous à la Fana. Eh, merci bien. Donc, euh, et toujours, c'est une question qui ne n'est même pas toujours sur l'émission, mais quand même, les gens sont toujours curieux de me demander est-ce que c'est mon vrai nom, tout ça là. Donc vraiment, c'est peut-être l'occasion pour moi de le dire officiellement. C'est important de le dire officiellement. Euh, effectivement, et bien c'est un nom authentique comme tous les autres, mhm. comme chez vous, Meiga. Meiga. Mais Hansi Amaradi. Bien sûr. Agadez, donc, euh, Nous avons des Biano à Agadez. Effectivement. Ok. Donc ça, c'est des noms qui se portent depuis nos ancêtres. Mhm. Et je prends l'exemple quand il quand, quand y, a, euh, y a la naissance d'un bébé ou d'une fille, voilà, donc il y a tout une tradition ou bien une culture de, chaque peuple auquel ça porte le nom. Et c'est là où mon père prend le nom de Bianou. Il est né le jour de la fête de Bianou. Ah, ok, c'était euh, ça l'histoire. Effectivement. Ah, super. Et toi, tu es de fils euh, amoureux de cette fête Effectivement. Et savez, c'est là où les liens qui, il y a une attache très particulière à la fête des biomes, auquel je suis né et grandi dedans. Donc c'est uni dans mon cœur. Tout simplement. Alors c'est de cette euh, fête que nous allons parler dans un deuxième angle. Mais avant cela, est-ce que euh, vous avez un message, un message euh, particulier à lancer à l'endroit de la jeunesse d'Agadez parce que vous préparez, n'est-ce pas, du lourd cette année Parce que nous sommes pratiquement à la fin de, la rubrique oui, effectivement, l'appel que je lance au-delà même de la jeunesse d'Agadez et mhm. de la jeunesse nigérienne, qu'ils soient qu'ils doivent attacher leur ceinture, à savoir d'avoir leur identité. Mhm. Puisque les grands problèmes auxquels la jeunesse nigérienne confronte en réalité, c'est quand ils partent à l'extérieur. Mhm. C'est quand ils partent à l'extérieur qu'ils cherchent à savoir qui ils sont. Et moi, j'ai beaucoup des amis et quand ils partent, qui me suivent à travers les réseaux sociaux, qui me demandent eh, un exemple, eh, c'est quoi l'histoire de Bianou, c'est quoi l'histoire de Kisale, du festival de l'air, qu'est-ce que c'est le Togoulda. Donc tout ça là, donc c'est une façon de dire à la jeunesse nigérienne de se connaître d'abord. Mhm. Il faut connaître son identité, son histoire, sa culture. Et c'est ça qui peut nous faire face au grand rendez-vous de l'histoire. Mhm. Voilà un appel que je lance à la, à la jeunesse, c'est de vraiment connaître leur histoire, leur propre identité. Voilà. C'était donc euh, Biano sur l'émission Franco Aoussa, présentée par la Misserie. On se donne donc rendez-vous demain dimanche. Même heure, même fréquence. Et nous allons parler de la fête de Viano sur l'émission de Salafada. Machine Tony. Mais avant, notre petit là, qu'on l'appelle Mr. Olivier, c'est lui qui a réalisé cette émission. On revient sur la FADA aujourd'hui installée à Nangabda à police secours, rond-point police secours. yau anan muka dora fada muna tare da likitoci biyu da suke nan tare da mu mun gode musu hallo da suka zo suka ba mu karin bayani bisa kan wannan malatin da yake ne yana ta banna a cikin al'umma muna tare da matasa wanda suke suma cikin yaƙi da gwagwarmayar suke ta yi bisa kan wannan malatin da kariya da eh, da ya kamata a ce al'umma ta yi bisa kan wannan malade, à hein, répéter. <laughs> Excusez-moi. À cette fada, nous sommes avec euh, Shaha Ahmed Haroun. Lui, les jeunes volontaires, ils sont très engagés aux côtés de la jeunesse. Euh, ils sont vraiment très engagés dans la prévention contre euh, le paludisme. Nous sommes avec Dr Agali Ibrahim. Il est médecin généraliste ici à la polyclinique qui nous accueille. Nous sommes avec Dr Gambo Abdelatif. Il est également médecin généraliste. Shamsuddin euh, Mahamadou, lui, porte son projet Paeni. Il est vraiment dans l'assainissement, dans la sensibilisation autour de l'assainissement. Donc, zamu dit ci da wannan shirin namu da kun gane yau mu yau cizon muke nan gai ya ne ne kuma ya ne ya a ce in suka jikin nasu ba su jin comment ils doivent se prendre en charge, comment ils doivent, où est-ce qu'ils doivent chercher cette prise en charge. Justement, on en vient à cette question de prise en charge. Docteur euh, Abdelatif, ça vous arrive de recevoir des jeunes ici à la clinique qui viennent se consulter parce qu'ils ont les symptômes du paludisme Comment les jeunes, ils viennent À quelle fréquence Vraiment, la prise en charge, parlons de la prise en charge maintenant. Merci. don euh, to donc euh, muna samun matasa lalle hmm. muna samun matasa da muke gani a nan ga likita in sun ka taho da masassarar cizon sabro sai dai matasan ba su da yawa ba su da yawa parce yawanci cuta ce wadda su suna gani sun yi karhinta ko kuma in ka ji baka jin daɗi cutar dibon masassarar cizon sabro ne nima na san magani da ya kamata in sha ko eh, kuma ni karhi eh, eh, gare ni yawa ko kuma ni jani ne ni ba ta kada ni sai ka sha dan kyakkyalibanka ko shayinka gida ka yi zama ka lahiya lau lalle haka ne wata rana tana iya ta huce hakanan nan mai take iya ta dawo kuma shi yasa mm-hmm. muke kiran matasa da su dinga zuwa likita in an ka ji babu karhin jiki sai su zo mu diba su muka gani masassarar cizon sabro ne a yi musu magani wanda ya kamata parce in ka ta kai magani ka da kanka can gida tana yiwuwa wannan cutar ta sake dawowa ko kuma kai ka zo ka ɗauke ta parce kana hita waje muna tayya muna yin fada ka zo ka kawo ta gida kamar yadda doktor Agali ya ce kowa yana da mata da iya in ma kai baka da wani naka yana da wanda kana iya ka tai gida ka kai da saburo ya cije ka ya cije su maintenant, on devait mettre l'accent sur la prévention d'abord moi je pense que c'est vraiment très bien d'avoir un tel projet parce que ça va euh, nous permettre de de, de, diminuer en fait la prévalence de cette euh, maladie. Ça va beaucoup nous servir parce que les enfants viendront euh, vraiment soit a lokacin da ya kamata mu gane su a yi musu magani wanda ya kamata ko kuma ma in an ka ka'i wannan kariyar ba za su zo ba ma. Toi, tu es genre euh, Hulk, tu es invincible, le moustique ne peut pas te terrasser. Pense à tes petits frères. Voilà, pense à tes petits frères, pense à ta, à, ta femme, maison. À, à ta, femme, à, la oui, maison la ou femme. à la femme de tes frères, ouais. tout ça là. Ouais. So, justement, docteur, ta eh, matasa suna cewa su prevention ba sai sun yi kwana ba su kan kalkashin sange ba sange a ce maka na yara ne ko na mata ne su ba su cikin ba su iya kwana cikin sange ko ka gafa da ana zamne ba a sa wani spiral ba irin na koran sabro ko me kawai dai tranquil kuwa ko ka an ta yi an ta yi fakarai hira ta yi daɗi sabro na ta cizo kana ji kawai tsala en fait ça fait rien quoi on peut vraiment négliger à ce point la prévention ok rabi eh, kama maganan da kika hadi hey. Eh. maganan kama na gaske ne eh, parce que ce kika hadi matasa da yawa ni ina da habitude in ce ma eh, abokaina kama mun yi erite da comportement wanda bai da kyau mutane su zo su yi ta zamna da dare surtout mu matasa da dare har 2 har 3 to 2 3 wannan koma dai ba mu jin kwana ai akwai saboda da tana nan tana ce shan mutum ka a yi negligent dr latif ya kwatamce shi dazu da yake kama matasa eh, ya kamata a sa aksan biskan kanana da da ma na gaya shi kana iya doko saboro ta kawo mhm, ila a mhm. expliqué tout à l'heure kama saboro tana ya cije ka mai system immunitaire kai eh, jarumi ne mai karhi eh, parasitin suna cikin jikinka saboro un ta cije ka tana iya ta kawo ta sama kannunka ko ko eh, uwayenka mhm, mhm. wannan abu ne da ya kamata eh, eh, bai da kyau kuma ba ma wannan ba kai da kanka ma biske parazitami ya yi explique da ya ce kamar ta shiga jikin mutum tana ta multiplier ne ya yi multiplier akwai second na per parazitami kamar parasit microbin da suke cikin jikin mutum sun hau sun kai wani guri da sun yi yawa to mutum ma complication in na wayannan da ya hode kama eh, convulsion wannan da koma eh, le neuropali ko ku anemi ma duk wannan ko jarumi wanda yake da shekara 20 ko 25 hakan ga yana da yake jin shi kawai yana jin power yana jin power yana iya yin shi <laughs> kenan saboro kuma su duwan da suka yi magana an kwatanta ne saboro yake abunga wanda suke hadi na ruwan sama wanda suke zowa bancin ma wannan na gota wannan da mutane suna gotoci ba su rihe su ruwan sama yanzu sun hara yin yawa kuma wanda yake ruwan sama suna nan yake saboro ta yi yawa in saboro ta yi yawa tana shiga al'umma tana ta cije cije kenan in ta doko gurin wanga microbe ta sa ga wanga ta sa ga wanga za a kai gurin akai gurin da a al'umma duka tana da microbe a ta kenan ana tiritin in wanga wancan yana da abun dai har yanzu sikil in yana ta yana wa idan shine yanzu mutane ya kamata lokacin saboro a yi hankuri bai wuce wata biyu ko uku an ta kawo wanga period na pick in in ventar ya yi a shiga gidaje a je a zamna kuma saboro ma da cika ce eh, gidan saboro sanje sanje wanda ya ma ya kamata a yi a kwanta a yi kwana cikin shi shine wanda ake cema mustikar imprenye ta suke son allergic wai wannan allergic niya ne wai take bai <laughs> komai mustikar imprenye aka ce in ka sai shi da sahi. Eh. ka sa shi cikin rana rana ta buge shi duk yayi ini duk abun da yake iya sa kama ya saka kai kai saka wannan fiske mutane sai sai kilfan fa a sayo sanje da marece wajen da setter a sashi abun ga apre a zuwa ke a kuma eh, musikar in ma eh, product inda ke gare shi in ana so a sa a yi itali in shi ba aka ce ba cikin rana zahi ba kama a nemi gurin da ke da inuwa kana da iskan nan ya samu mm-hmm. ya hita fuske product in ya zamna mutane su kwanta cikin sanje sanje duka duka kana iya ka yi atashe amman da 5 minutes kuma ka shiga kai da ma kanka ma ka yi kwana ka ji lami lafiya ba abubuwan da ya dame ka kana tashi kenan <laughs> ka kare kanka ka kare mutanen gidanka kuma ka kare al'umma duka kuma banjin da wannan ma ka yi contribute ga santé in population ta Niger duka donc c'est dans ce sens que muna cira matasa kowa gaskiya mu duka da muke nan da medecin da association muna ta kawowa irin wannan muna ta magana yanzu pick pali surtout ya kawo bancin pick in ma mutane ya kamata eh, mu yi mu taiga prevention eh yanzu kasashen nasaru yanzu ils mettent beaucoup plus l'accent sur la prévention que la prise en charge aka ce mutum in ka tare abu bai kai sai ka zo kana ta gudu kana ta neman abun da zai abun ga fiske ka doki wanda eh, eh, za su hana ka ya zo gurinka ok to kun shi dai wannan mu likitan sun yi mana magana kana da ƙarin bayani shaha rabi ina da ɗan abu kaɗan da nake son ƙara to ina shan shine kun san shi me yasa ɗan adam yake ɗaukan da wasa wannan cutan kun san shi sauro wani ƙaramin ƙwari ne wanda ko iska bai iya ma iska ma yana taya da shi mm. yana iya zuwa ya zama ya cije ka ya ja jini kuma ya mutu abu ne wanda bai kai ya kawo ba wanda ɗan adam ya rena shi da yake samun wannan cutan kenan wannan dan kwari ne karami amma ka arena shi cutan da yake kawowa ba karami bane wannan da yake ba kadan ba shi kuma hattara yanda muka hadi dazu ikon yanzu ba samu dama kwarai ba wanda za su yi su kare ko ko su yi wasu ayyuka wanda za a kare me yan kasa mu da kanmu kanmu yi gwamnati kaɗai ne zai mana wani abu mu ma ha gwamnati ne kai ma gwamnati ne kai ma mu kuma ka ajira kana zama cikin gidan ka jira gwamnati ya kai ka dauko ruwan dauda a gidanka ka kawo kohon gida ka zubda kuma kana jiran gwamnati ya zo ya share ma kohon gidanka to kun gani to cuta muna kawo mu muke kawo mu kanmu cuta kenan yan kasa ma su tashi su kama cewa su ma il contribute suna nan ga kawo nasu gudunmuwa cikin tashin wannan cutan kenan ai hattara 1, On va souffler en musique de Salim Diaputer, Sabro Sabro, et on se reprend juste après, surtout Salafada. première cause de mortalité en Afrique. Fada aujourd'hui, euh, le paludisme, je dirais le moustique, c'est la star. Parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Il faut en parler, c'est important. Yaya ne matasa suke nan suna yaƙi da wannan ciwon? Wai kai wanda mahimmanci ne suka ba wannan ciwon suna ma damuwa da shi ko koyaya ne? Wannan matakai ne suke ɗauka cikin fadodinsu in aka jefa karai ana hira ana kai awa da awa nawa ana zaune sabro na cizo. Anna, ganin on est invincible face à la force de frappe de cette anophèle femelle destructrice. Aujourd'hui, on en parle avec Dr Gambo Abdelatif, il est médecin généraliste. Shamsoudine Mamoudou, il, Dr Agali Ibrahim, il est médecin généraliste. Aujourd'hui, à la clinique qui nous accueille, nous sommes avec Chana euh, Shana Ahmed Haroun. Lui, les jeunes volontaires. Ils sont également très à cheval. Euh, ils sont vraiment aux côtés des jeunes, de la sensibilisation avec 3861 décès enregistrés en 2020, on voit bien les dégâts engendrés par cette maladie. Vous avez parlé de 3 861 décès en 2020. Hein? En 2020. Oui, et là, la population de la ville de Niamey compte environ 1 27 000 habitants selon les statistiques de 2020. Et imaginons que 60% de cette population se débarrasse de ses déchets sans se soucier de son environnement vital. Les riverains, citoyens, mairies, gouvernements, environnement que nous sommes auront des problèmes d'insalubrité majeurs à gérer. Le problème des moustiques, le problème du palu, c'est les ordures. Nous sommes ceux qui produisent les déchets, n'est-ce pas nous achetons nos plats, on nous donne des plastiques, nous balayons nos maisons, nos chambres, parce que c'est à l'intérieur que nous vivons, mais nous faisons des poubelles que nous laissons s'entasser sur nous, jusqu'à ce que la nouvelle femelle arrive à donner des enfants. En ce moment-là, on néglige, parce que comme il a dit, euh, notre frère Jiven, on oublie que les, moustiques, ce sont des petits trucs, mais qui nous tuent. De petit à petit, ça bouffe l'autre. Voilà, ça touche le grand frère, ça passe à la maman, ça part à l'enfant qui est vulnérable. voilà, Ça Donc pour moi, pour prévenir cela, moi je pense que nous, nous devons d'abord bien entretenir nos déchets chez nous et trouver une chaîne de gestion de déchets qui vont venir précollecter collecter les déchets pour les amener dans les bacs. Une fois dans les bacs, Adoka. Maintenant, les ordures ne devront pas aller être jetées derrière les maisons parce que je te dis, ils ont des ailes, ils vont revenir. Là, on est vers la fin de cette émission. Yanzu Ozamba Olivier Dama, da chronique Et on se retrouve après pour se dire euh, au revoir sur cette émission. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Si vous êtes fan du foot, ça tombe bien, tout simplement parce que ce soir nous allons parler du mercato 2021. Bah, bah, pas de tout le mercato, mais de l'affaire qui a le plus marqué ce mercato 2021. D'abord, c'est quoi un mercato Eh bien, c'est cette opération au cours de laquelle les joueurs de foot en fin de contrat quittent leur club pour s'engager dans un autre club. Voilà. Et pour cette saison 2021-2022, le transfert, qui a fait le plus de buzz dans le monde du foot. Vous le savez très bien, c'est le transfert du, footballeur argentin Lionel Messi. Voilà, ce soir nous allons parler du départ du footballeur argentin Lionel Messi du Barcelone au Paris Saint-Germain. Le Barça a annoncé le vendredi 6 août qu'il ne pourrait pas prolonger le contrat du génie argentin au club depuis 21 ans. 21 ans de carrière au même endroit. C'est fort quand même. Eh bien, ce départ était tout simplement inattendu. Le départ de Lionel Messi du Barcelone à Paris a été suivi par la planète foot. En tout cas, les amateurs et passionnés de foot étaient nombreux à être surpris par ce départ inattendu. Et le premier à être surpris, c'est d'ailleurs Lionel Messi lui-même. Lors de sa dernière conférence de presse, il s'est exprimé en ces termes. J'ai tout fait pour rester au club. Le club a réfléchi et on a vu que ce n'était pas possible. Je veux assurer que j'ai fait tout mon possible de mon côté. L'année dernière, je ne voulais pas rester. Mais cette année, oui. Eh bien, pour la plupart des observateurs, tout sauf Paris. Si lors de sa conférence de presse, Lionel Messi a évoqué qu'il est possible que le club français Paris Saint-Germain soit sa future destination, il faut noter que cette déclaration n'a pas eu grand écho. Mais face à l'argent, les émotions passent vite et le travail reprend. Bah oui, c'est normal. Même dans le foot, cette règle, elle est respectée. Mercredi 11 août, Lionel Messi a été présenté aux journalistes et aux supporters parisiens. Et il devient alors la nouvelle recrue, le grand Messi qui devient le petit arrivé, quoi. Voilà, c'est ça. Et il déclara J'ai grandi footballistiquement. J'ai pris beaucoup d'expérience à Barcelone, des bonnes et mauvaises périodes. J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Là, j'ai autant faim que quand j'étais un gamin. Je vais tout donner, faire tout ce qui est possible pour gagner, a déclaré Lionel Messi. Eh bien, quelles leçons derrière ce transfert Au-delà du foot, que représente ce départ de Messi du Barcelone à Paris On se retrouve demain dans la chronique. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Merci bien Olivier. ami de la FADA, c'est la fin de tout ça. La FADA française à Oussa. Nous étions avec nos jeunes médecins de la Polyclinique Concorde. Nous étions avec les jeunes volontaires avec le projet Painiki et dans l'assainissement. Nous étions avec l'Observatoire de la jeunesse pour la paix. Aujourd'hui, il a été question des jeunes face au paludisme. Kuma dai cikin zanzancen da muka yi, an dai gane tsafta ita ce ba ya kamata a ce an sawa gaba kenan harin neman kariya kan an yi magani. Kuma likitocin da suke tare da mu hallo sun ce in ka ba kashin ka zo cikin likita ka nemi maganin kirki ba ka je ka sai dan fara su samu rikinka ba da wani dan kinka ma <laughs> <laughs> vraiment c'est une maladie à prendre très au sérieux elle fait énormément de dégâts on souhaite euh, une bonne campagne agricole à tous nos jeunes qui nous reçoivent de partout au Niger pour au revoir